le forum du studio le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum du le forum 18h passées de 15 minutes, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum d'iStudio studio Kalangou, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes d'iStudio studio Kalangou sont diffusés en direct sur 34 radios partenaires à travers le Niger et ceux du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15 minutes. Dans le forum de ce soir, il sera question du cancer de la prostate, une maladie spécifique aux hommes. Ainsi, nous nous interrogeons ce soir sur qu'est-ce que c'est que le cancer de la prostate, qu'est-ce qui cause cette maladie, comment se fait le diagnostic, quels sont les principaux symptômes, quelle est la prévalence au sein de la population nigérienne Existe-t-il un traitement adéquat contre cette maladie Si oui, lequel et avec quel coût Quelles sont les mesures de prévention contre le cancer de la prostate Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons invité ce soir euh, sur notre plateau Dr. Namewa Babadi, chirurgien urologue à l'hôpital national de la Mordée. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir honoré, docteur, euh, notre invitation au niveau du studio Kalangou. Présentation de cette émission, à la Sankouzi Mahmoud. Bienvenue à tous dans le forum du studio Kalangou. Je le disais ce soir, nous parlons du cancer de la prostate, un des types de cancer qui affecte la population mondiale. En effet, le cancer constitue la première cause de mortalité dans le monde. Selon l'OMS, en 2012, il a été l'origine de 8,2 millions de décès, soit près de 13% de la mortalité mondiale. Selon les estimations du Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, près de 70% de ces décès surviennent dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Au Niger, le cancer, le cancer, toute forme confondue, est devenu un problème de santé publique, en témoigne la création d'un centre national de lutte contre le cancer. Les types de cancers les plus fréquents chez les femmes sont entre autres le cancer du sein, le cancer du col, de le cancer du col le cancer de l'ovaire, et chez les hommes, le cancer du foie, le cancer de la peau, celui des mélanomes, le cancer de la vessie et le cancer de la prostate, objet de notre émission d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au docteur euh, Namewa Babadje, je le disais, chirurgien urologue à l'hôpital national de Lamordé Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Docteur, euh, qu'est-ce que c'est que le cancer de la prostate Merci, Monsieur Alassane Kouzi Mahamadou. Et merci de m'avoir donné l'occasion de parler du cancer de la prostate au niveau de votre studio, je veux dire le studio Kalango. Effectivement, le cancer de la prostate, euh, c'est un véritable problème de santé publique. Donc, euh, c'est un cancer qui attrape surtout l'homme c'est uniquement les hommes, parce que les femmes n'ont pas de prostate, c'est les hommes qui ont de la prostate. Donc euh, c'est un cancer de l'homme. Donc le cancer, c'est une, une, tumeur, une tumeur qui est maligne, par opposition à la tumeur qui est bénigne. Euh, c'est quoi maligne, bénigne Voilà, donc une tumeur maligne, c'est une tumeur qui est capable, même quand on la lève, de progresser, de continuer à nuire, à, nuire. à l'homme d'attaquer certains organes, même si là où on l'a enlevé, euh, elle est complètement elle est enlevée, c'est possible que ça continue à nuire. À d'autres euh, parties. à d'autres parties du corps. S'il n'est pas pris très tôt. Souvent, s'il est pris très tôt, on peut le traiter. Mais s'il n'est pas pris très tôt, il est déjà ailleurs. Mm. Donc, même si vous avez enlevé la tumeur mère, il y a les tumeurs filles qui sont un peu partout dans le corps et qui vont continuer leur évolution. Et ce cancer est, caractérisé comment euh, dans, le, dans le corps humain euh, le cancer de la prostate, lui, il est dans un premier temps localisé au niveau de la prostate. C'est un cancer qui est né au niveau du tissu de la prostate. La prostate, c'est cet organe-là qui se trouve chez l'homme entre la vessie et l'urètre. Donc, euh, je est juste sous, la vessie. Donc, euh, elle est juste sous la vessie, en dessous de la vessie. Et l'urètre traverse la prostate. C'est ça qu'on appelle l'urètre prostatique. Et immédiatement en dessous de la prostate, c'est l'urètre également qui continue. Et l'urètre, c'est à travers cela que l'urine sort. Et l'urètre, l'urine, quand elle quitte euh, la, la, vessie, elle passe par l'urètre, l'urètre prostatique. Mhm. qui est juste en dessous de la vessie. Mhm. Ensuite, après l'urètre prostatique, maintenant, il suit son, chemin vers l'urètre membraneux, vers l'urètre bulbaire et vers l'urètre pénien jusqu'au niveau du gland, jusqu'au méa où il sort complètement. Mhm. Voilà. Donc ce cancer, quand euh, il attaque euh, la prostate que vous avez expliqué, qui est juste en dessous de, la vessie, euh, ça, prend quelle forme ça, se gonfle, ça augmente de volume la prostate ou donc, le, cancer de la prostate, quand il attrape la prostate, le début est souvent insidieux, c'est-à-dire on ne peut pas savoir au début si on ne consulte pas. On ne peut pas savoir ce qui se passe parce que c'est un cancer au début silencieux. Donc c'est après, à long terme, après qu'il commence à développer des phénomènes, il peut faire grossir la prostate, il peut la rendre très dure, et après, quand il quitte la prostate, il peut aller aux, organes qui sont à côté de la prostate. Hmm. notamment la vessie. notamment la vésicule séminale, notamment la vessie, notamment le rectum qui sont tout autour. Et si rien n'est fait, il peut continuer à travers euh, les, ganglions ou bien à travers le sang pour aller à d'autres endroits. Docteur, comment s'est fait euh, le diagnostic euh, du cancer de la prostate Le cancer de la prostate, il peut être diagnostiqué par un certain nombre de moyens qui sont le plus souvent simples. Dans un premier temps, le premier diagnostic qu'on peut, on peut penser, c'est avec la clinique. Mhm. C'est-à-dire, on le dépiste avec le doigt. Le doigt, quand, quand le médecin examine son malade, il doit examiner la prostate. S'il examine la prostate à travers sa consistance, il peut déjà penser à un cancer de la prostate ou pas le doigt, docteur, on n'arrive pas à comprendre, puisqu'on dit que la prostate se trouve en dessous de la vessie, en dessous de la vessie. vous dites que le diagnostic se fait par le doigt. Euh. Oui, à l'examen clinique, vous savez, toujours, quand vous recevez un malade en consultation, hum. Il y a l'interrogatoire, hum. et quand vous finissez l'interrogatoire, vous, vous, avez une idée, hum. et maintenant vous passez à l'examen physique. physique donc, c'est au cours de cet examen physique-là que vous allez faire un geste mhm. qu'on appelle le toucher rectal, mhm. parce que pour avoir accès à la prostate, il faut passer par le rectum. Mhm. Donc, un doigt avec des gants qui passent au niveau de l'anus jusqu'au niveau de la prostate. Et là, ce doigt-là va permettre d'apprécier l'état de la prostate. Est-ce qu'elle est souple Est-ce qu'elle est douloureuse Est-ce qu'elle est ferme Est-ce qu'elle est irrégulière Est-ce qu'elle est dure comme une pierre donc, selon le cas, vous allez vous orienter vers le cancer de la prostate, surtout quand c'est très ferme, quand c'est irrégulier avec des nodules ou bien quand c'est carrément pierreux. pierreux. C'est Dur quand ça, vous, ça, vous, fait penser immédiatement au cancer de la prostate. Maintenant, il faut d'autres examens pour confirmer ça. Hum, c'est des examens cette fois-ci de radiographie. Euh, euh, Entre-temps, ça peut, être, ça peut être révélé aussi par d'autres signes si c'est déjà un stade avancé. Il y a certains malades qui se mettent à pisser du sang. Il y a d'autres malades, ils ont des douleurs au niveau du pelvis, ils ne comprennent rien. Il y a d'autres malades, ils ont des douleurs osseuses. Il y a d'autres malades, ils ont des ganglions un peu au niveau des clavicules, un peu partout qui sont gonflés. Donc il y a beaucoup de signes qui peuvent euh, révéler un cancer de la prostate, des circonstances de découverte, quoi, mm. qui permettent de relever. Souvent, c'est juste au cours d'une simple échographie, on constate qu'il y a un problème, il y a des nodules hypoécogènes mm. qui peuvent être en faveur d'un cancer de la prostate. Mais tout ça, c'est pas toujours le diagnostic c'est mm. toujours la suspicion. La suspicion. C'est toujours la suspicion on ne peut pas tout de suite prostate. confirmer. Voilà, on, passe souvent à des examens biologiques qu'on appelle euh, le PSA, mm. c'est l'antigène spécifique de la prostate. Mm. Donc euh, cet examen est fait souvent quand il y a des signes d'appel, on, le fait. C'est pas systématique, c'est quand il y a des signes d'appel. Et on constate que ce PSA est très élevé. Il ne doit pas dépasser 4 ou 5 selon, selon les laboratoires. Mais quand il est très élevé, déjà, ça, fait, ça fait penser à un cancer de la prostate. Hmm. Mais toujours est-il que jusque-là, on n'a pas le diagnostic complet. Le diagnostic positif. Pour être sûr que c'est un cancer de la prostate, il faut avoir ce tissu-là. Il faut prélever une partie de ce tissu-là, ou bien tout le tissu, et l'envoyer chez le médecin anatomopathologiste. Ce sont eux qui vont étudier les cellules du tissu prostatique et ils verront qu'il y a des cellules cancéreuses au niveau de ce tissu. Là, dès qu'ils, affirment qu'il y a des cellules cancéreuses, c'est-à-dire qu'il y a un adénocarcinome de la prostate, et en ce moment, c'est confirmé hmm. que la personne a un cancer de la prostate. Alors, docteur, est-ce que ici euh, au Niger, nous disposons de, du matériel euh, tout cas pour parvenir à la confirmation d'un cas de, cancer. Est-ce que tous les processus que vous avez cités aujourd'hui, nous avons le matériel qui permet de respecter ce processus Effectivement, au Niger, euh, on est très avancé dans ce domaine. le diagnostic clinique, c'est à la portée de tous les médecins. Mhm. le diagnostic biologique, il se fait dans les centres où il y a des laboratoires qui sont capables de doser l'antigène spécifique de la prostate que nous appelons le PSA. Mm. Donc, en, dehors de ces centres, maintenant, le, diagnostic de confirmation que nous disons tout à l'heure, mm. il est fait par le laboratoire d'anatomie pathologique. Donc, il se trouve actuellement à l'hôpital national de la mm. qui est dirigé par le professeur Nou. Donc, euh, ce laboratoire existe actuellement uniquement à l'hôpital national de la, et les autres hôpitaux, que ce soit les hôpitaux nationaux ou mm. les hôpitaux régionaux, quand ils opèrent les malades, ils peuvent envoyer, ou bien quand ils font des biopsies, ils peuvent envoyer au niveau du laboratoire qui va leur répondre mm-hmm. pour leur dire que tel ou tel malade, effectivement, il a un cancer de la prostate pour qu'on puisse commencer le traitement. Donc, c'est accessible à tout le monde puisque c'est possible mm. dès que vous opérez. Il suffit de mettre la pièce dans du formol, mm. où vous rédigez vous remplissez la fiche d'ANAPAT et vous envoyez au laboratoire. Et en une ou à deux semaines, vous avez le résultat. Ok, cela peut prendre une à deux semaines. Une à deux semaines en général pour hmm. avoir le résultat. Bien. Voilà. Euh, donc nous poursuivons cette émission, docteur. Euh, nous abordons maintenant la deuxième partie de, l'émission relativement aux causes et aux conséquences du cancer de, la prostate. Qu'est-ce qui est à la base euh, du cancer de la prostate chez l'homme, docteur Bon, les causes du point de vue, il y a des facteurs qui sont des facteurs étiologiques, c'est-à-dire le cancer de la prostate est hormonodépendant il est lié à des hormones. Donc ces hormones-là, quand elles sont là, elles aggravent le cancer de la prostate. C'est pourquoi on dit que c'est un cancer hormonodépendant. Ensuite, il y a des facteurs euh, alimentaires, surtout la consommation de graisse animale. Donc euh, ça favorise euh, le cancer de la prostate. Ensuite, il y a des facteurs ratios. il a été démontré que ce cancer est plus fréquent chez les populations qui ne sont pas noires. Par exemple, on a constaté que c'est plus fréquent chez les, chez les blancs que chez les noirs. Hmm. Mais des enquêtes ont montré aux États-Unis que c'est très fréquent chez les noirs américains aussi. Hmm. Voilà. Donc, euh, c'est un véritable problème de santé, que ce soit dans les populations blanches, que ce soit dans les populations noires. Mais chez nous, le problème, c'est que contrairement aux populations blanches, il doit avoir des problèmes de diagnostic et de dépistage. Eux, là-bas, ils vont très tôt. Tu peux pas mourir d'un cancer de la prostate sans qu'on l'ait diagnostiqué. Ah, ah, alors ah, que chez nous, beaucoup préfèrent faire des traitements traditionnels euh, avant d'arriver. Le plus souvent, ils n'arrivent pas, d'autres n'arrivent même pas à l'hôpital. Hmm. Et les quelques-uns qui arrivent à l'hôpital, une bonne partie peut être diagnostiquée. Donc, il y a un problème diagnostique chez les Noirs pour pouvoir avoir les vrais chiffres. Hmm. Docteur, vous avez dit que parmi les causes, euh, que c'est un cancer hormonodépendant. Hmm. Est-ce que euh, cela veut dire que euh, c'est par organisme, il y a des organismes qui peuvent naturellement développer ce type de cancer ou, On dit hormonodépendant, c'est parce que l'homme a une hormone qu'on appelle la testostérone. Hmm. Donc cette hormone, la testostérone, une fois que ce cancer est déclenché, elle l'entretient. Elle permet l'évolution du, cancer très très rapidement. Donc euh, cette hormone-là, c'est sur elle qu'il faut agir pour bloquer l'évolution du cancer. Voilà. Hmm, euh, peut-être une question que j'ai envie de poser avant de poursuivre. Vous avez dit que mhm. chez nous, il y a un problème de diagnostic qui se pose souvent. Mhm. Euh, c'est qui qui fait que euh, on ne détecte pas très tôt la maladie et qu'on continue à faire des traitements traditionnels. Mm. Est-ce que, euh, est-ce que euh, vous pouvez nous donner d'autres signes Est-ce qu'au niveau de l'urine, quand on a le cancer de la prostate, est-ce qu'au au niveau de l'urine, est-ce qu'on peut déjà savoir que, en fonction de la miction, savoir que, ou soupçonner un cancer oui, effectivement, en matière du développement du cancer de la prostate, j'avais dit tout à l'heure que c'est un cancer à développement lent. Donc au début, c'est toujours difficile hmm. de, le diagnostiquer parce qu'il est fréquent chez les, chez les personnes à partir de 45 ans. Il est un peu rare hmm. à 45 ans, mais il existe quand même. Et il est plus fréquent au-delà de la, de la cinquantaine. Hmm. Donc euh, presque 75% de, de, cas sont diagnostiqués au-delà de 55 ans. Donc, euh, ce, ce, ce, cancer-là, il est, il est, dépisté presque à, presque à cet âge-là. Et nous, les difficultés que nous avons, c'est parce que les gens ne se présentent pas tôt. Ils ne se présentent pas tôt. Et les signes d'appel qu'ils ont, c'est les signes urinaires. Hmm. Et les signes urinaires, tout à l'heure, je vous disais, ça peut se manifester par du sang dans les urines. Oui ça peut se manifester aussi par euh, des rétentions d'urine. Hein. C'est un peu euh, moins fréquent, mais il y a des rétentions d'urine qui peuvent arriver dans le cancer de la prostate. Et ça peut aussi se manifester par des douleurs, hein. des douleurs au niveau du pelvis, au niveau du petit bassin, chez l'homme. Donc, euh, quand il a envie d'aller à la selle, il sent qu'il y a des malaises. Hein. Donc, ça peut être des signes d'appel. On peut aussi le dépister à travers euh, des examens qu'on fait de façon spontanée, comme l'échographie. On fait une échographie pour quelqu'un et on découvre en même temps une découverte fortuite d'un nodule au niveau de sa prostate qui est en faveur d'un début du cancer de la prostate. Mais aussi, dans les bilans de routine habituels qu'on fait pour les sociétés et autres, dans le dosage du PSA, on peut retrouver que le PSA est très élevé. Et dès qu'il est élevé, on peut penser déjà à un cancer de la prostate. Hmm. Mais le problème chez nous, c'est que les gens viennent tardivement. Ils viennent tardivement. Ils viennent tardivement. Déjà, la maladie est à un stade très évolué. Et souvent, ils ne viennent pas du tout. Malheureusement. c'est ça. Docteur, quelle est la prévalence euh, au sein de la population nigérienne de ce cancer euh, la prévalence euh, exacte au sein de la population nigérienne, je ne saurais vous le dire, mhm. mais je sais que dans une, dans, une thèse qui a été faite tout récemment, mhm. euh, il a été prouvé que 5% des malades hospitalisés à l'hôpital national de la Mordée, dans le service d'urologie du professeur Soumana, donc il y a au moins 5% de personnes, de malades sont, ont, ce cancer. 5% des personnes hospitalisées. Voilà. Hmm. Est-ce qu'il y a d'autres chiffres, docteur, par rapport toujours à ce cancer Il y a d'autres chiffres euh, dans le monde, il y a des chiffres euh, un peu euh, en Afrique aussi et éventuellement en Afrique de l'Ouest. Mhm. Nous avons quelques chiffres. Mhm, euh, d'abord, il représente le deuxième, au il est placé au deuxième rang des cancers chez l'homme mhm. de plus de 50 ans, après le cancer du poumon et des bronches. Voilà. Et généralement, 30% des sujets avant 60 ans peuvent développer ce cancer. 67% aussi des sujets avant 90 ans peuvent développer ce cancer-là. Mmh. Malheureusement, 50 à 70 des personnes diagnostiquées sont déjà à un stade avancé. Ce qui rend difficile la prise en charge. Voilà, c'est ça qui rend difficile la prise en charge. Donc, il est très fréquent en Occident dans les pays du, et dans les, dans les pays du tiers-monde. Il est fréquent chez les Noirs américains et chez les Blancs. 53 465 nouveaux cas en 2009 2009. ont été dépistés en France. En France, ok. Voilà. Et le taux d'incidence en France en 2009 est de 99,4 pour 100 000 habitants. Ça, c'est les chiffres de 2009. Et en 2009 aussi, il y a eu 8 950 décès en France, là où les statistiques. Euh, Mais là où là il y a un grand suivi pour les diagnostic statistiques. Est, précoce. Voilà. Hmm. Et en Afrique, il y a 17,5%, 17,5 pour 100 000 habitants. 17,5 cas pour 100 000 habitants. Dans une population de 5 000 habitants, il y a au moins 17,5 personnes qui développent la maladie. Voilà, pour ça. En Afrique de l'Ouest, c'est 16,4 pour 100 000 habitants. Et au Niger, comme je vous l'ai dit, c'est uniquement, j'ai uniquement les statistiques de Vous, vous avez de parlé de 5% de, patients hospitalisés. 5% de malades hospitalisés qui sont là uniquement pour le cancer de la prostate. Donc c'est un cancer rare, avant 45 ans. Avant, 45 ans, il est rare. Et il est plus fréquent après à 75% des nouveaux cas apparaissent après 55 ans. 75% de nouveaux cas. Mm. Oh, c'est une maladie rare, vous l'avez dit, avant 45 ans, mais pas impossible. Non, pas impossible. Pas impossible. On a l'habitude d'avoir des cas, mais là, c'est, il, est, plus méchant en ce moment quand il attrape un jeune, parce que imaginez un jeune de 45 ans avec un cancer de la prostate, c'est fulgurant quoi. si ce n'est pas diagnostiqué vite, ça va vite emporter la personne. Hein. Voilà. Et, docteur, nous, passons à, la, dernière partie de, notre émission, mhm. toujours par rapport au cancer euh, de la prostate. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un traitement adéquat contre cette maladie au Niger euh, Le cancer de la prostate, c'est un cancer curable. Il peut être traité. C'est-à-dire on peut définitivement se euh, débarrasser la personne de ce cancer, mais à condition qu'elle vienne très tôt. Hmm. Dès le début, dès les premiers signes, dès le dépistage. Parce que le dépistage de masse n'est pas conseillé, mais c'est un dépistage individuel. Surtout chez les gens de la tranche d'âge que nous avons dit tout à l'heure. Donc c'est un dépistage individuel. Et quand la personne est venue très tôt, c'est la chirurgie qui permet d'éliminer le cancer chez la personne. Si la personne est venue très tôt et que le cancer n'a pas dépassé la prostate, il est juste au niveau d'un seul lobe, il n'a pas envahi la capsule. Donc, euh, il peut être dépisté par ce qu'on appelle euh, la prostatectomie radicale, hmm. c'est-à-dire l'ablation de la totale de la prostate. On l'enlève carrément la prostate On enlève carrément la prostate, on enlève les vésicules séminales qui sont rattachées à la prostate. Et après, on fait, on fait une anastomose, c'est-à-dire on relie l'urètre qui reste avec euh, le col de la vessie. Maintenant, la personne va rester sans prostate. Et du coup, la conséquence aussi, c'est que euh, euh, la personne ne, devient plus devient infertile comme C'est une chirurgie, c'est une chirurgie difficile, la prostatectomie radicale, et c'est elle qui permet d'éradiquer le cancer de la prostate chez une personne atteinte. Si, il si la personne est arrivée tôt. Donc euh, cette chirurgie aussi, elle a des conséquences. Mm. Justement, elle a des complications qui peuvent être liées à un problème d'incontinence, c'est-à-dire une perte d'urine, souvent qui peut se régler avec le temps. Et il peut avoir aussi des problèmes euh, d'éjaculation. Donc euh, cette personne... Peut-être des problèmes d'érection Cette personne ne peut plus éjaculer parce que l'éjaculation, ça passe par la prostate. Mhm. Et comme on a enlevé la prostate et la vésicule séminale, donc on ne peut plus parler d'éjaculation. Ensuite, il euh, euh, y a, l'autre aspect que vous dites, l'infertilité, c'est ça, c'est le problème d'éjaculation, ou bien le dysfonctionnement érectile, mhm. c'est-à-dire la difficulté à avoir des érections, parce qu'il y a des nerfs qui sont responsables de l'érection, qui sont autour, de, la prostate, qui comme c'est dans un cancer et que le cancer saigne, ce n'est pas toujours facile de ne pas les toucher. Parce que souvent, il suffit de les toucher pour qu'ils se paralysent pendant un bon moment. Si encore ils n'ont pas été coupés. Et, docteur, est-ce que c'est la chirurgie radicale dont vous, avez parlé Est-ce que c'est la seule option, c'est le seul traitement euh, disponible à travers le monde Ou bien c'est celui-là que, en tout cas au Niger, en tout cas, c'est la technologie que nous, nous avons encore Actuellement, c'est le seul traitement à travers le monde, la chirurgie radicale, la prostatectomie radicale, c'est-à-dire l'ablation totale de la prostate. Maintenant, si le cancer est à un stade évolué, il y a d'autres traitements qu'on fait. Mais ces traitements, ils permettent aux malades d'avoir un confort, ils, ils permettent de bloquer la maladie pour encore des années. Donc la personne peut vivre encore des années jusqu'à ce que ça devienne résistant à ce traitement. Mm. Donc, euh, ces traitements, ils sont de plusieurs sortes. Il y a le traitement médical par voie orale ou bien par voie injectable et il y a le traitement chirurgical. Le traitement médical, ça consiste à donner des médicaments qui vont bloquer cette hormone-là qu'on appelle la testostérone. Qui peut favoriser En le... cas de cancer de la prostate au stade de métastase. C'est-à-dire qu'il a commencé à envoyer des petits cancers un peu partout. dans le corps Voilà. Ils partent se greffer et ils partent commencer à, grignoter l'organe sur lequel ils sont greffés. Hmm. Généralement, c'est l'os, c'est le foie, c'est les, reins, un peu partout quoi, dans les organes. Et donc, ce traitement là après le traitement médical, qui a, un certain nombre de coûts aussi, hmm. il y a le traitement médical également par voie veineuse, par voie injectable. On peut faire des injections une fois par mois pour bloquer cette hormone qu'on appelle la testostérone. Ou bien on peut faire des traitements une fois par trimestre, une injection trimestrielle pour bloquer ça aussi. Ça aussi, ça a un coût. Ça peut coûter, euh, la les injectables pour, mensuels peuvent coûter dans les 150 000 par mois. Par mois, et, les injectables trimestriels peuvent aller vers les 400 000 et quelques. Et enfin, à la chirurgie, qui revient encore oui. la chirurgie qui revient pour pouvoir maintenant bloquer. La chirurgie consiste à aller vers les organes qui sécrètent la testostérone. Donc ce sont ces organes qui sécrètent la testostérone qu'on enlève et il n'y a plus de testostérone. Donc la testostérone est bloquée. Donc c'est une forme de castration chirurgicale. Et les autres traitements, c'est une forme de castration chimique. L'avantage du traitement médical, mhm. c'est que c'est réversible le désavantage du traitement chirurgical, une fois qu'on le fait, c'est irréversible. Euh, dans ce cas, dans les traitements que vous, vous, donnez, euh, docteur, est-ce que vous, vous priorisez d'abord le traitement euh, Le traitement médical est, d'abord priorisé et d'abord mise mis en avant avant la chirurgie ou pas C'est en fonction de l'état du malade, parce que chaque malade est un cas à part. La personne peut être très âgée, elle peut être moins âgée, donc, vous voyez, c'est en fonction de l'état du malade et en fonction de l'évolution de la maladie. Si c'est juste au début pour une personne jeune qui a envie encore d'avoir des enfants, on va privilégier le traitement médical. Médical. Voilà. Qui est réversible, vous l'avez dit. Réversible. Qui à un certain moment, on peut arrêter, faire une fenêtre, débloquer la testostérone pour que ça l'aide à avoir des rapports euh, sexuels conformément aux, aux choses. Quoi. Mais sinon, ah. si c'est une personne très âgée qui n'a plus besoin mm-hmm. d'avoir d'enfants ou bien qui ne fait plus de rapports sexuels, vaut mieux la chirurgie. Parce que ça lui, c'est une seule fois qu'on fait et ça lui permet d'éviter de prendre des médicaments. Mm-hmm. Ou bien ça dépend de l'emplacement. Une personne qui est loin, qui ne peut pas avoir accès régulièrement à ces ah, oh. médicaments, qui sont, chers. qui sont chers et qui sont difficiles à trouver souvent mm-hmm. dans les pharmacies, ce n'est pas toutes les pharmacies qui les ont. Donc autant leur faire la chirurgie plutôt que de quelqu'un qui est habilement, tu ne peux pas lui donner des médicaments comme ça, à moins qu'il n'ait une personne qui, lui envoie ça régulièrement. Ce n'est pas toujours donné à n'importe qui aussi d'avoir des avantages comme ça. C'est pourquoi on traite ça au cas par cas. On discute avec le malade, on lui explique toutes les possibilités, et une fois qu'on lui explique, c'est lui-même qui va choisir ce qui lui convient. Hmm. Voilà. Euh, alors tout ça, docteur, à l'entendre, ça donne la chair de poule, euh, ça, ça, ça, donne la frayeur. Comment est-ce qu'on peut rassurer euh, quand même les, populations par rapport à, ce type de maladie, notamment à, ces volets traitements Bon, le, traitement, je crois que... Finalement, parce que le à entendre le traitement, on a encore plus peur que la maladie. Non, ça ne doit pas faire peur, hein, parce que la maladie fait plus peur que le traitement. Hum tu vas avoir juste quelques effets secondaires, mais ça te permet de mieux vivre. Mhm. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux se traiter. Parce que l'évolution naturelle, ça condamne la personne et elle n'a plus de confort de vie. Hein. Mhm. Et ça peut donner, quand c'est au stade de métastase, ça peut donner des fractures partout, des blocages des nerfs, des gonflements des membres, les membres inférieurs. Donc, vous voyez, c'est pas, pas intéressant. Et si les métastases arrivent au niveau des poumons, c'est des problèmes respiratoires. Au niveau du foie, c'est des problèmes également. Donc, euh, vaut mieux traiter. le traitement a toujours plus d'avantages que de laisser la personne sans traitement. Alors, vous avez, euh, docteur, donné euh, une idée du coût du traitement médical. Est-ce qu'on peut avoir une idée aussi du traitement chirurgical le traitement chirurgical euh, dépend de là où vous le faites. Euh, on peut le faire dans les hôpitaux, on peut le faire dans les structures privées. Ça dépend de là où vous partez. Au niveau du centre public dont vous dans avez la chaire où vous, vous, travaillez Au niveau des structures publiques, euh, c'est presque les mêmes prix que les interventions habituelles. Quoi. Mmh. C'est pas cher, c'est pas très cher là-bas. On peut avoir quand même une idée, docteur C'est autour de 500, 400, moins Peut-être, euh, ça dépend aussi quel quelle, chirurgie on a fait, parce que c'est des traitements qu'on peut faire sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Donc, selon le cas, le coût n'est pas le même, parce que l'anesthésie générale mobilise beaucoup plus de personnes, hein, alors que l'anesthésie locale, ça, ça mobilise moins de personnes. Généralement, ça varie probablement entre 50, 100 000, 150 000 maximum. Docteur, est-ce que le cancer, ce cancer-là, le cancer de, la prostate, est une maladie euh, qui, est prise en charge par l'État ou qui est, euh, on va dire, subventionnée, où les patients euh, participent peut-être à un pourcentage du traitement, mais pas tout, où ils bénéficient de l'appui de l'État dans ce sens ou pas encore Pour le moment, je ne pense pas que le cancer de la prostate fasse partie des cancers qui sont subventionnés par l'État. Je crois que c'est beaucoup plus les cancers féminins qui sont concernés par ces avantages-là. Mhm. Mais les cancers masculins, je ne pense pas, et surtout le cancer de la prostate, n'est pas subventionné. Mais c'est accessible, tout, est faisable dans nos hôpitaux. Mhm. Euh, alors, docteur, en introduction, je le disais, euh, il y a un centre national en principe euh, de lutte contre le cancer. Est-ce que ce centre est à même de prendre en charge aussi euh, le cancer de la prostate oui, il est capable de le faire euh, et aussi nos, services d'urologie sont capables de le faire. Parce que pour, pour le cancer de la prostate, c'est simple quoi. C'est un traitement simple qu'on prescrit aux malades. Il n'est pas obligé d'aller jusqu'au centre de cancérologie. Hmm. Voilà. Parce que L'avantage, euh, l'avantage de ça, il y a les médicaments, les injectables, ça se fait dans les services, dans les bureaux. On peut les faire euh, sans problème. Et euh, pour le cas du cancer de la prostate, il n'y a jamais ce traitement qu'on entend souvent, la chimiothérapie, ou comment on appelle Pour le cancer de la prostate, c'est beaucoup plus l'hormonothérapie qui se passe. Mm c'est beaucoup plus facile avec l'hormonothérapie. La chimiothérapie, c'est faisable, mais euh, généralement, on n'en arrive pas là-bas. C'est beaucoup plus euh, l'hormonothérapie qu'on privilégie. Hmm. Alors, docteur, on a vu cette maladie, euh, un problème de santé publique on a vu ces causes euh, en quelque sorte et euh, les, conséquences que cette maladie peut avoir. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, docteur, on peut savoir quelles sont les mesures de, prévention, s'il y en a, que chacun doit savoir pour ne pas en arriver là oui, par rapport aux mesures de prévention, je pense que dans un premier temps, c'est d'éviter les graisses animales qui, sont, qui constituent des facteurs favorisants. les graisses animales Les graisses, c'est elles qui sont le plus souvent incriminées. Maintenant, il y a les facteurs familiaux que je disais tout à l'heure. Les facteurs familiaux, si dans la famille, il y a quelqu'un qui a fait déjà un cancer de la prostate, le risque peut être multiplié par deux. Par deux. chez les autres, voilà. S'il y, a eu au moins un ou deux, deux ou trois cas de cancer de la prostate, le risque peut être multiplié par cinq à 10. S'il y a déjà deux dans, dans, la famille. Voilà, le risque peut être multiplié par cinq à dix. Donc, un des facteurs de prévention, s'il y a déjà eu un cas dans la famille, c'est de faire un dépistage individuel très tôt. Donc, il faut se faire suivre par un chirurgien urologue très tôt pour éviter qu'on arrive au stade où on ne peut plus faire la chirurgie radicale, mm. la prostatectomie radicale. En fait, euh, et ensuite, euh, l'autre volet, c'est le dépistage. C'est le dépistage qui est plus fréquent chez les pays développés, individuels surtout, parce que le dépistage de masse, ça va coûter très cher et c'est pas, c'est pas avantageux. Donc, c'est surtout un dépistage individuel qu'on privilégie pour éviter ça. Voilà docteur, est-ce qu'il y a d'autres à savoir parce que pour le cas de la graisse animale, euh, on fait allusion à, la viande grasse et on fait allusion à l'huile de vache. Tout ce qui est graisse animale, tous les animaux qui, le fait de consommer de la viande qui est surtout grasse. C'est un des facteurs favorisants. c'est pas la cause exacte. C'est l'un des facteurs. C'est juste un facteur favorisant. Hmm. Donc il faut éviter quoi. Surtout quand on sait qu'il y a eu des cas de cancer dans la famille. Donc il faut éviter les graisses pour, se prémunir déjà de, cette maladie. Voilà. Et quelle, autre quelle autre piste euh, euh, vous, vous préconisez aux, aux uns aux autres docteurs pour être à l'abri de cette maladie, j'insiste Bon, il n'y a pas de piste exacte qui va empêcher cette maladie si elle devait venir chez une personne à partir de l'âge qu'on avait prévu tout à l'heure, là, au-delà de la cinquantaine. C'est une maladie qui peut arriver et on a, on a expliqué l'incidence. Mm-hmm. Mais il y a pas, on ne peut pas vous dire que voilà ce qui cause cette maladie. Non. C'est juste un problème tumoral, c'est-à-dire c'est la cellule, les, cellules qui se métamorphosent et se mettent à se multiplier de façon spontanée comme ça. Et c'est plus fréquent quand il y a eu déjà des cas dans une famille. Mais on ne peut pas vous dire voilà la cause réelle. réelle du cancer, non. Maintenant, il y a d'autres qui sont liés à des D'autres cancers, ils ont des causes, c'est lié à certaines irradiations et autres. Mais pour le cancer de la prostate, il peut apparaître spontanément chez cette tranche d'âge-là. Hmm. Docteur, on sait que euh, cette, maladie, en tout cas, euh, est souvent fréquente euh, au niveau de, de, la campagne ou souvent, en débit, vous l'avez dit, que souvent il y a des gens qui passent leur temps à faire des traitements traditionnels est-ce qu'il y a dans ce sens des campagnes de sensibilisation ou euh, cela reste encore à faire pour, alerte, pour que les gens puissent être alertés dès les débuts euh, de, certains signes phares Bon, les campagnes de sensibilisation, je ne pense pas qu'il y ait eu. Je n'ai pas, à ma connaissance, euh, peut-être c'est possible qu'il y ait eu, mais moi je n'en sais rien. Mhm. Et je crois que comme c'est un cancer qui est fréquent chez les hommes, les, quelques, les quelques informations, que, sensibilisations qui peuvent être faites, c'est à travers vous, hmm. comme ce que nous sommes en train de faire maintenant. Peut-être que d'autres personnes ont eu à en parler, mais je pense que c'est en, essayant de parler de ça de temps en temps dans les médias qu'on peut attirer l'attention des, hommes, surtout qui ont atteint cette tranche d'âge-là, hmm. qui est exposée à développer ce genre de maladie. Bien. Euh, docteur, nous sommes presque à la, fin de, cette émission sur le cancer de la prostate. En À mm. résumer, qu'il faut-il retenir du cancer de la prostate, de son traitement, de sa prévention Donc, euh, le cancer de la prostate, euh, c'est un cancer qui se développe au dépens du tissu prostatique. Au niveau de la prostate, c'est un cancer primitif. Donc, c'est un cancer qui, s'il est diagnostiqué très tôt, il peut être guéri. La personne peut être guérie à travers ce qu'on appelle une prostatectomie radicale. La chirurgie. La chirurgie. Maintenant, si, si on a laissé évoluer la maladie à un certain moment, il peut être bloqué. Il peut être l'évolution peut être retardée pendant beaucoup d'années. Donc, euh, comme c'est un cancer à développement lent, donc s'il est bloqué pendant beaucoup d'années, la personne a encore beaucoup d'années pour vivre. Donc, euh, je pense que ce qu'il faut conseiller aux gens, à partir de cette tranche d'âge-là, c'est de, de temps en temps passer à la consultation médicale. À partir de 55 ans, ou à, la consultation urologique, rencontrer un urologue. Si s'il n'y a aucun problème, la personne va attendre un an pour reprendre ses examens-là. Si on dépiste quelque chose, la personne va être suivie pour que, au moindre truc, on puisse le prendre en charge le plus rapidement possible. Donc, c'est de ne pas négliger les signes urinaires qui viennent, qui peuvent être confondus avec les signes de l'adénome de la prostate. Hmm. Voilà. Bien. Donc, euh, c'est cet appel que je lance à la population. Et à partir d'un certain âge, il faut vérifier, il faut surveiller sa prostate. Bien. Euh, merci docteur pour toutes ces précisions euh, sur le cancer de la prostate. Vous l'avez dit, c'est une maladie en tout cas de, santé euh, qui pose un problème de santé publique qui est, surtout, est surtout diagnostiqué au niveau d'un certain nombre de, de, groupes de tranches d'âge, notamment les personnes âgées à partir de 55 ans et plus. Et vous l'avez dit, l'incidence n'est pas tellement fréquente avant 45 ans. Avant 45 ans. Rare. Voilà, très rare, très rare. Donc avant 45 ans, vous l'avez dit. Et euh, quelques chiffres que vous avez donné, euh, notamment 5%, vous l'avez dit, de, malades hospitalisés, sont, euh, le sont pour, le fait du cancer de la prostate. les facteurs de, risque qui peuvent augmenter le risque de, de, de, ce cancer sont entre autres la consommation des graisses animales, vous l'avez dit, et aussi si jamais euh, une, personne d'un membre de la famille est atteint de, ce genre de cancer, le diagnostic est conseillé pour en tout cas les autres membres de la famille. Le dépistage précoce permet de, prendre en charge rapidement la maladie qui est curable, vous l'avez dit, à travers euh, soit la chirurgie ou le traitement médical. Merci, chers auditeurs. C'est ici que prend fin le forum de ce soir sur le cancer de la prostate. Nous étions avec euh, Dr Namewa Babade, qui est chirurgien urologue à l'hôpital national de la Morde. Merci, docteur, d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes. Présentation à Lassane Kouzi Mamadou, la technique Ouseni Isaka. Bonsoir.